auditeurs, auditrices du studio Kalangou, bonjour à vous. Ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro euh, de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou de ce vendredi 28 juillet 2023. Où que vous soyez, nous vous disons merci d'être des nôtres. Je suis Ali Moukela alias euh, Seno, et avec moi Rukayatou Abdurrahman pour la présentation. Bonjour Rukaya. Bonjour Seno, ça va je vais bien, merci. Alors, sinon, nous allons également prendre un moment pour saluer chaleureusement nos collègues qui travaillent en coulisses à la technique. C'est Issa Lawali à l'édition adamadawaki Alors, sinon, quel est le menu du jour Eh bien, aujourd'hui, Rukayatu, nous avons concocté un menu captivant qui ne manquera pas d'épater hein, nos auditeurs actuellement scotchés. Nous débuterons avec le flash d'information suivi d'un cocktail musical en envoûtant mettant en avant euh, la musique nigérienne. Ensuite, nous nous aurons une séance passionnante du lot avec le, avec le desk femme du studio Kalangu, suivi euh, par des infos sportives passionnantes de notre chroniqueur du jour Soumana Amadou. Il y a également euh, la culture linguistique sans oublier la traditionnelle revue de presse présentée chaque vendredi. Toujours dans ce menu, sinon nous allons dans la rubrique, nous avons dans la rubrique invité du jour écouter un entretien avec docteur Kourou Hamadou, anthropologue, interview, entretien accordé à notre collègue Maman Ada. Eh bien, dans la rubrique Écho des régions, nous nous concentrons hein, sur Niamey, la capitale, afin de décrire l'atmosphère qui a régné hier suite au coup d'État survenu mercredi. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. Sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec euh, Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Seno, bonjour Keya. Bonjour Nafissa. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash. Suite aux récents événements survenus à Niamey au lendemain du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, où certains individus s'en sont pris physiquement à d'autres citoyens ainsi qu'aux biens privés, le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, dans un communiqué hier jeudi 27 juillet instruit les forces de l'ordre et de sécurité à veiller à la protection des personnes et de leurs biens par tous les moyens de droit. Le même communiqué souligne que les, les manifestations publiques pour quelques mobiles que ce soit restent et demeurent interdites jusqu'à nouvel ordre. Le sommet Afrique-Russie s'est ouvert ce jeudi à Saint-Pétersbourg, en Russie. Une dizaine de chefs d'État du continent prennent part à cette rencontre de 48 heures placée sous le signe du renforcement du partenariat russo-africain. Le président Vladimir Poutine a pour l'occasion annoncé la promesse du blé gratuit à certains pays du continent. Il n'a fait plus fait part de sa disponibilité à partager avec l'Afrique le savoir-faire et soulignant l'engagement de son pays de lutter contre l'unilatéralisme. Les festivités du Bianou débutées le 26 juillet se poursuivent à Agadez. Selon une source locale, malgré le contexte politique actuel, plusieurs centaines de personnes sont mobilisées autour de l'événement, dansant au rythme des tambours et des tambourins. Plusieurs activités marquent cet événement durant la célébration. Deux principaux groupes, à savoir le groupe de l'Est et le groupe de l'Ouest, sillonnent la ville d'Agadez avant de se croiser dans un quartier, un croisement au cours duquel se fait une forte démonstration de la maîtrise des instruments traditionnels de musique, à savoir le tambari, la kazama, mais aussi de la danse. Les festivités prendront fin demain 29 juillet 2023. C'est la fin de ce flash. Merci Nefissa pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt, nous allons écouter l'entretien de l'anthropologue Dr Kouraou Hamadou accordé à notre collègue Mama Ada sur la parenté à plaisanterie qui est l'un des vecteurs de consolidation de la paix et de la cohésion au Niger. Oui, mais avant, euh, cher auditeur, voici pour vous euh, l'hymne de la paix chanté par les artistes nigériens, une façon euh, de vous permettre de vous installer paisiblement dans cette émission. C'est parti. sai da hada kan juna sai da gane juna sai da fahimtar juna ci gaban ƙasa sai da kama hannun juna ha kai ciwo nijar kai ciwo nijar ke sha gurza yan nijar ci gaban ƙasa ha sai da kama hannun juna ha banda wariya banda bambanci banda son kai bisa komi maza da mata ku tashi tare ne dangi za mu ci gaba. Kaijo duniya rawa 'yan mata na gaba goma baya wata rana waɗansu ba mu ba. Kudi ba Nijar. yau duka duniya sam kafu gabas da yamma gusun da arewa sauraron mu ake yi kallon mu ake yi hmm? masu bamu bonjour hankali arzikin kasa, vous l'aurez compris, chers auditeurs, car la musique est un langage universel qui peut transcender les barrières sociales et politiques, touchant le cœur des individus et suscitant une prise de conscience collective. C'est effectivement le cas de ce titre que vous êtes en train d'écouter, qui appelle à la paix, à la tolérance, à l'union et à la cohésion sociale de tous les peuples nigériens. Exactement, Rukaya. Et à présent, chers auditeurs, euh, nous allons écouter l'entretien euh, du docteur Korou Hamadou au micro de Maman Ada. Le Niger célèbre euh, le mois de la parenté à plaisanterie. Est-ce qu'on peut savoir juste un peu l'historique, l'importance de ce mois de la parenté à plaisanterie Je peux dire que c'est un des aspects exceptionnels au niveau de la culture nigérienne cette euh, notion de parenté à plaisanterie. Exceptionnelle parce que nulle part au monde, elle est célébrée comme on le fait ici, au point de lui consacrer un mois. Et ça, c'est de manière officielle. La parenté à plaisanterie, c'est une institution très ancienne qui renforce euh, les liens de solidarité entre euh, les différents sous-groupes ethniques sous l'effet de la cohabitation sous l'effet du mariage, sous l'effet d'autres activités culturelles historiques. Et par rapport à cela, vous savez que ce pays a traversé des périodes euh, très critiques, notamment dans la gestion de l'administration. Il y a eu une rébellion. Alors suite à cette rébellion que nous déplorons, il y a eu pas mal de morts. C'est des choses à déplorer et c'est des choses euh, qu'on ne doit pas souhaiter. Donc euh, suite à cela, il a fallu faire recours dans la résolution définitive de ce problème, faire appel à des éléments de cette parenté à plaisanterie. Et c'est ainsi que ce problème a été résolu de manière pacifique. Pour vous dire que la parenté à plaisanterie, c'est une institution qui régularise la société de manière générale. L'historique, est-ce que Bien avant cette rébellion, il y a cet état de fait de la parenté à plaisanterie. Oui, en fait, ça c'est un aspect de l'importance de la parenté à plaisanterie dans la régulation du système social. Bien avant cet événement, il y euh, la société, en tout cas nigérienne, euh, dans son ensemble, pratique euh, cette parenté à plaisanterie de diverses manières, soit à travers des comportements, soit à travers des paroles, soit à travers des gestes, des rites. Et c'est de cette manière-là que les gens célèbrent à leur manière cette parenté à plaisanterie. Alors, il faut euh, envisager ou il faut situer cette notion de parenté à plaisanterie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est interne. Et le deuxième niveau, c'est le domaine externe. Quand on parle du domaine interne, on parle du domaine familial. Et c'est là le fondement même de cette parenté à plaisanterie, où vous avez des gens, l'homme du, père, comme on le dit, avec l'homme de la mère. Hein. et ils sont cousins et ils sont donc euh, du même sang, mais pour un peu consolider ce lien-là, au lieu qu'il y ait des aspects, des relations conflictuelles, il y a eh, cette notion de parenté eh, à plaisanterie qui a été instituée. Alors, on ne peut pas vous dire eh, fondamentalement qui est à l'origine de cette institution. Toujours est-il que l'intérêt de cette institution, c'est de nouer ces relations familiales-là hein, de manière à ce que cela soit perpétuel. Un fils de la femme qui est de l'autre côté dans un autre village, quand il rencontre le fils du père qui est dans un autre village, il y a des manières de s'introduire. Et cette manière de s'introduire les rapproche davantage. Et c'est par cette manière-là qu'ils peuvent savoir que lui-là, il est issu de telle lignée, lui-là, il est autre, il est issu de telle lignée. Alors que les deux lignées sont issues d'une même lignée. C'est là où on parle de Chara. Chara, c'est un des éléments qui consacre la célébration de ce mois de parenté à plaisanterie. Alors, Chara voilà comment ça s'explique. Puisque celui qui fait le charal, c'est lui le fils de la femme. Il ne peut pas hériter de la maison, mais il s'occupe de la salubrité. Alors, une fois qu'il qu'on célèbre euh, l'activité de, de la parenté à plaisanterie, il se promène avec son balai. Et partout où il a des parents, je veux dire euh, côté père, il se présente avec son balai sans s'introduire, il peut se mettre à balayer. Et en retour, qu'est-ce qu'il reçoit Il reçoit une poule, traditionnellement parlant. S'il n'y a pas de poule, il peut avoir euh, quelques gadgets. Il peut avoir euh, une mesure de mille de sorgho, de maïs, ainsi de suite, à défaut avec des pièces. Et c'est comme ça, traditionnellement, on dit qu'on qu'on récompense euh, un peu ce, travail que ce monsieur a dû faire dans une maison pour laquelle il n'est pas habilité à hériter. Mais comme c'est un travail qu'il a fait, ce travail-là mérite nécessairement qu'il soit rémunéré. Fidèles auditeurs, avant de continuer cet entretien, nous allons suivre ensemble la revue de presse avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Rukayatou Abdraman, bonjour Ali Moukela Ousseini. Bonjour. Alors, euh, Mokhtar Niger, un groupe d'officiers annonce avoir mis fin au régime dirigé par Bazou Mohamed, titre en gros le journal en ligne Actu Niger. Dans une déclaration rendue publique tard dans la soirée du mercredi 26 juillet 2023, un groupe d'officiers des forces de défense et de sécurité nigériennes réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a annoncé avoir mis fin au régime dirigé par le président Mbazou Mohamed selon le journal en ligne Actu Niger. L'agente militaire qui a ainsi pris le pouvoir a annoncé comme principale raison la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Dans une série de communiqués lus par le porte-parole de l'agente, le colonel-major Amadou Abdraman, l'agente a aussi annoncé la suspension de toutes les institutions issus de la 7e République euh, tout en s'engageant à respecter l'intégralité, l'intégrité physique et morale des autorités déchues. Les frontières terrestres et aériennes seront fermées jusqu'à la stabilisation de la situation et un couvre-feu a été instauré sur toute l'étendue du territoire national de 22h à 5h jusqu'à nouvel ordre par les nouveaux maîtres du pays, poursuit le journal. Alors, Mokhtar, le commandement militaire de l'armée se rallie au CNSP, titre euh, de son côté le quotidien nigérien d'analyse et d'information générale, La Nation. Le journal nous apprend que euh, dans un communiqué publié euh, le jeudi 27 juillet, le commandement militaire des forces armées nigériennes a annoncé souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité qui la veille ont annoncé avoir destitué le régime du président Bazoum Mohamed. Ah, dans la déclaration qui a été signée par le chef de, l'état-major des armées, le général de division Abdou Sidikou Issa, la hiérarchie militaire a mis en garde contre toute intervention militaire extérieure de quelque provenance que ce soit et qui risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlable pour les populations et le chaos pour le pays. Mokhtar, poursuivant cette revue de presse, acte de vandalisme sans précédent des manifestants saccagent le siège national du PNDS Taraya. Plus d'une dizaine de véhicules incendiés, titre le quotidien nigérien d'information L'Enquêteur. Et Wiruki, en voiture, à moto, à pied, les manifestants ont déferlé par centaines à partir de la place de la concertation en direction du siège national du PNDS Taraya qu'ils ont mis à sac avec une soif de vengeance sans commune mesure. Les vitrines, les mobiliers de bureau, la paperasse ont été détruits sans ménagement. De grosses cylindrées rutilantes et autres véhicules de moindre valeur stationnés dans l'enceinte et à la devanture du siège ont été était systématiquement incendié par les manifestants en furie, scandant des slogans hostiles au parti, décrit le quotidien L'Enquêteur. Et de l'autre côté, ANP euh, euh, titre également Fermeture des frontières du Niger, la France viole le, le CNSP appelle au respect euh, de cette décision, n'est-ce pas Mokhtar Selon l'agence nigérienne de presse ANP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a, dans un communiqué publié hier jeudi 27 juillet, appelé la France au respect de la, décision de la fermeture des frontières du Niger prise après le coup d'État intervenu mercredi 26 juillet 2023. Les autorités françaises ont fait atterrir à l'aéroport international de Niamey un avion alors que les frontières terrestres et aériennes sont fermés depuis le 26 juillet à partir de 22 h Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A401 à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30, indique le communiqué du CNSP qui appelle la France au respect strict du communiqué numéro 3 portant fermeture des frontières terrestres et aériennes du Niger jusqu'à nouvel ordre. Et c'est tout pour, le, pour la revue de la presse de ce vendredi 28 juillet 2023. Merci euh, Mokhtar. Chers auditeur, poursuivons avec euh, l'entretien euh, accordé à notre collègue Maman Ada de la part de l'anthropologue Dr Kourou Hamadou. Quelles sont les ethnies concernées par cette plaisanterie C'est toutes les ethnies qui sont concernées par cette parenté à plaisanterie parce que nous avions situé un peu les deux aspects là, l'aspect interne. Alors, si on se limite à cet aspect interne, on voit que et toutes les ethnies, il y a cette notion de mariage, donc des alliances au niveau des différentes ethnies de ce pays-là. Et c'est ce qui fait que les différents sous-groupes ethniques nigériens sont considérées comme une chaîne. Donc elles sont liées les unes aux autres à travers justement cette euh, notion de mariage-là. Maintenant, en dehors de l'aspect interne du mariage, il y a d'autres aspects culturels. Ça peut être hein, une chasse, un service rendu à une communauté ne saurait être oublié. Et pour ce faire, il faut créer un système qui va le perpétuer. Et à travers justement cette occasion de la célébration de la parenté à plaisanterie, on assiste à ce genre d'activité, à ce genre de cérémonie où on révèle à l'autre, voilà les circonstances dans lesquelles nous, en tant qu'hommes, ou bien vous, en tant que femmes, voilà les circonstances dans lesquelles nous célébrons, et c'est cela. Et c'est ça qui justifie souvent des chansons ou bien des dédicaces destinées aux uns et aux autres. Si vous prenez entre les Peuls et les canouris, voilà ce que les canouris disent aux Peuls. Ba ko da nauyi kuna yawan kashe takalma. Su kuma Fulani su ce musu bare-bari wayan tsafta kuka baro daji ku zo ku yi kashi gida. Shi kuma bagobiri a ce mai azabar wake wannan zabar ma ke gaya masa haka. To iri-irin wannan abubuwa akwai su da dama. Ces genre euh, d'accusation très grave Parce que si ce n'est pas dans le cadre de cette parenté à plaisanterie-là, vous n'aurez jamais l'occasion de le dire à quelqu'un d'autre, sans que cela ne soit suivi de bagarre et rangé. Mais comme c'est dans le cadre de la parenté à plaisanterie, alors vous allez vous rivaliser. Votre grand-père a fait ceci, vous aussi, votre grand-père a fait cela, ainsi de suite. Donc ceux qui sont à côté aussi se marrent. Mais vous voyez, il y a cet aspect un peu lyrique là. <laughs> qui, fait que bon, les gens se rapprochent davantage et on rivalise des choses, des paroles, des propos un peu qui font rire les uns et les autres. et on détend un peu la semence. Ce matin-là, on, s'est posé la question par comment un peut être le chef d'un bouzou Les gens se, posaient la question. Non, vous voyez, ça c'est l'effet de la cohabitation. Quand on parle de cohabitation, il y a souvent des rixes, des querelles. Et c'est souvent ce genre de querelles qui, au finish, euh, aboutissent justement à ce genre de parenté à plaisanterie. Ils se sont fait la guerre, alors pour mettre fin à cette guerre inutile, il fallait que les sages se réunissent et célèbrent justement cette euh, manière de mettre fin à la guerre. Et c'est comme ça que, à l'occasion, les uns et les autres les cousins comme on le dit, chacun accuse l'autre de vouloir soit fuir ou bien euh, voler des trucs et vice-versa. Et c'est ça qui fait un peu la fierté et c'est ça qui fait un peu la richesse de cette parenté à plaisanterie. Si bien que autant que cela dure, il n'y aura jamais, il n'y aura jamais de conflit ici au Niger. C'est une des forces de notre pays. Malheureusement, avec le changement, on constate certains individus qui n'acceptent pas que ce genre de propos leur soit adressé. Parce que semble-t-il qu'ils ils ont atteint un autre statut. Alors que dans le cas de la parenté à plaisanterie, certes, on respecte le statut. C'est-à-dire il y a des propos que vous ne pouvez pas tenir à un de vos chefs hiérarchiques. Mais toujours est-il qu'il y a cette parenté à plaisanterie. Si vous ne pouvez pas des propos un peu grossiers, il y a quand même des circonstances où vous pouvez vous amuser là-dessus, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu. Et ça, c'est une institution qui est là fondamentale et qui soude ces liens de parenté-là et qui les consolide. Et là, ce n'est pas dans le cadre de la parenté interne, hein. ça c'est externe. Et c'est l'avantage, cette relation, elle est beaucoup plus riche parce qu'elle dépasse le cadre de la famille, le cadre biologique elle va dans le cadre culturel et elle va s'étendre encore à d'autres sous-groupes ethniques, pas seulement ici au Niger. Et c'est comme ça avec les Gobra et les Yoruba. Les Yoruba qui sont au Bénin, qui sont au Nigeria. Euh, comment doit-on préserver cette parenté à plaisanterie ça, c'est une bonne question. Mais c'est ce que vous faites déjà. Ou les journalistes et ceux qui écrivent. C'est eux, avec euh, je crois, à l'État, puisqu'on a eu à instituer une journée ou bien un mois de la parenté à plaisanterie. Donc ça veut dire que l'autorité suprême est impliquée. Et c'est un avantage certain, puisque je crois qu'il y a eu un arrêté ou un décret qui consacre la célébration de cette euh, parenté à plaisanterie. Vous êtes les journalistes en train de chaque année, à l'occasion, rappeler aux uns et aux autres l'importance de cette institution. Parce que c'est à ce genre d'occasion que les uns et les autres se rappellent, quel que soit notre état d'esprit, quel que soit notre statut, la parenté à présenter et à préserver. C'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Rookie, euh, nous sommes vendredi, nous allons parler culture. Exactement, c'est nous, notre rubrique hebdomadaire culture nous parle de la célébration de la fête de Bianou à Agadez. Oui, la population euh, de la capitale de l'Aïr a célébré la fête traditionnelle de Bianou le jeudi 27 juillet 2023. Femmes, hommes, jeunes et enfants habillés euh, dans leur euh, accoutrement traditionnel sont sortis nombreux pour vivre cet événement historique. Vivez les grands moments de la fête dans ce reportage de Moussa Maman. Yeah. bayan kwana daji da suka yi da sahe sun shigo gari saye da kayayyaki na galgajiya wuka a hannu da kuma itace na dabino a cikin hannu suna taka rawar biyanu 'yan zaria da kuma masu kada tambari da kuma zam sun ba wannan sallah mahimmanci wannan shekara a cewar tambari a ta shugaba na gungu na gabas wannan sallah a bana ta dara duka sallolin da aka yi a shekarun da suka wuce sallah ta bana sai a ce ta fi ta bara saboda abin kasan samari sun ba da kai suna gwada suna son ga al'adar tasu a wagga shekara gaskiya alhamdulillah nan da shekara uku zuwa hudu da suka wuce gaskiya duk shekara kana ganin wasu abubuwa an da yake kamar ƙari ne sama bana in kaga an yi ado shekara mai zuwa sai ga adan da aka yi ya fi na shekara da ta wuce maza mata matasa kuma da yara hamma da tsahi da kuma baki da suka zo daga jihohi daban-daban hamma kuma ƙasashe kasashe daban-daban saye da kayayyaki na gargajiya sun tarbi 'yan biyano bisa hanyoyi daban-daban wanda 'yan biyano suke bi sun yi murna da wannan al'ada da suka gani ina murna ina jin daɗi allah ya guda mana shekara allah maimaita a yau babban sallah allah ubangiji karimin rahimu allah maimaita muna muna jin daɗin wa sallah sosai ina ma kowa barka da sallah Eh, muna ma mutane barka da sallah muna ma ƙasa fatan zaman lahiya da kwanciyar hankali hukumomi na galgajiya sun jinjina da cewa wannan babbar haduwa da suka gani al'umma suka yi dangance da wannan sallah mai martaba umaru ibrahim umaru sarkin absin eh, muna kai godiya mu da gabitan al'umma na iya agadar duk gaba daya da nagarin agadar domin hutawa da suka yi da fifi saboda wannan sallah ta al'ada ta biyanu muna kai godiya mu ga wakilan biyan mu muna kai godiyar mu ga kwamiti domin wannan talla a ita cikin nutsuwa a ita cikin daɗin rai kuma da shan juna. Sallar biyanu al'ada ce dai ta masarautar Absin kuma ana soma ta ne bayan sati guda da babbar sallah ta layya. Manyan-manyan ranaku na wannan sallah ana gudanar da su tara da goma ga wata na farko na musulmi cewa da watan Muharram. C'était là la rubrique euh, hebdomadaire, euh, un reportage que nous a proposé Moussa Maman. C'est nous, nous allons encore une fois de plus consommer de la musique et nous allons rester bien sûr dans l'ambiance du piano avec ce titre piano du groupe Eman Kayan d'Agadez. C'est parti. jazir ya dan biyano haka ne ya kasu ga maso jazir ya biyano ga tutar gabas da yamma sai dai biyano haka ne ya kasance maso mataka rawa ta gato yake bi kamar hakan zan mu jazir ya biyano yake bi kamar hakan zan mu taka rawa biyano yake bi kamar hakan zan mu taka rawa ta gato gare ka ta gobe alassassan wajen testa yin taka rawa moi je porte du bout c'est gassé sans balais on est tous à l'aise donc la 10 da shi zo mu she ku shefa mu ka a barka a baya ina layak ka gaban ka kamata ka sa layak ka ina alban ka gaban ka kamata ka sa alban ka ina tukuni ta su saba'in ni ka dar magari ga kura daga mashi kai damara dar mata mu she tun tubu sa kai ka daga ka ashe dumuli jazariya fa mu she jazariya zariya zariya jazariya zariya zariya jazariya zariya zariya la fête de Dan se passe comme ça Seria, seria, seria La fête c'est bien, la fête de l'année pour l'année des années Ça c'est pas chaque année de l'année, ça c'est fait chaque année Chaque année ka ji ka sai da masite Kai yaro ka zo mu taka rawa dan biyano Haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa biyano Kai yaro ka zo ka sha zariya ya kasance mu zo mu sha zariya biyano Ga tutar gabas da yamma sai dai haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado yake yi buga mana kan zan mu ta ya biya no yake yi buga mana kan zan mu taka rawa biya no yake yi buga mana kan zan mu taka rawa ta gado musicales musicale, fidèles auditeurs, il est temps pour nous de découvrir dans notre rubrique Écho des régions l'ambiance qui caractérise la ville de Niamey après le coup d'État avant-hier, n'est-ce pas, nous Exactement. Après euh, la déclaration lue sur la télévision nationale du Niger qui annonçait la prise du pouvoir par l'armée mercredi, euh, la vie hier a repris à Niamey euh, timidement malgré quelques manifestations. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus Qu'est-ce qui se passe réellement actuellement dans la ville de Niamey Il y a déjà l'un de nos correspondants qui est sur le terrain. Il s'agit bien de Tarnan Foudé. Il est à ligne. Allô Tarnan Oui, allô, c'est Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va oui, ça va très bien. Alors, décrivez-nous euh, l'ambiance euh, qui règne ce matin dans la ville de Niamey. Bon, sinon, contrairement à hier, l'ambiance d'aujourd'hui est encore beaucoup plus calme. Uh-huh. Euh, nous avons fait les grandes affaires de la ville, l'année la capitale, euh, de la présidence, euh, devant la télévision nationale, même si les mêmes dispositifs qu'on a remarqué hier, il est toujours là. Hmm. contrairement à hier aussi, aujourd'hui, les banques sont ouvertes. Euh, ça elle fonctionne normalement. Bonne nouvelle. Et dans la ville, en tout cas, l'ambiance euh, est très belle, si on peut le dire comme ça, euh, parce que les gens vaguent à, leurs occupations. Maintenant, c'est au niveau des Britanniques militaires et l'axe qui mène vers la compagnie Bara ou bien compagnie d'appui. l'axe est encore bouclé par les forces de défense et de sécurité avec d'impressionnants moyens militaires. D'accord. Euh, est-ce que de l'autre côté euh, du grand marché, est-ce que tout va bien oui, l'ambiance, euh, comme d'habitude, c'est comme si rien ne s'est passé. Les gens vaguent à leurs occupations. Nous venons d'arriver devant l'aéroport de Niamey. Mhm. Là aussi, l'ambiance continue, même si pour l'instant, nous n'avons pas remarqué des gens qui rentrent et qui sortent au niveau de cet aéroport. D'accord. Merci infiniment. Et Tarnan, eh, quel, tableau tu, vous pouvez nous dresser sur les infrastructures vandalisées Sur Les infrastructures vandalisées par les manifestants. Oui, bon, il n'y a pas tellement des infrastructures vandalisées, euh, à, part les sièges euh, du PNDS qui a été hier plus pour par, euh, des manifestations, par des manifestants qui se sont écartés des de la grande manifestation. Hmm. Là, ils ont euh, vandalisé les sièges, ils ont incendié les véhicules qui se trouvaient tout autour de ces sièges. Ce matin, il y a encore des carcasses de ces véhicules incendiés. D'accord. Merci infiniment, Tarnan. Alors, à présent, accueillons euh, Soumana Amadou, notre chroniqueur sportif, euh, je ah, crois bien. Ah, ah, avant, avant de vous accueillir, Soumana, on va lire d'abord ce communiqué de, du ministère de l'Intérieur. Donc, en parlant de, manifestations, dans un communiqué publié hier 27 juillet, le ministère de l'Intérieur a rappelé que les manifestations publiques pour quelque mobile que ce soit reste et demeure interdite jusqu'à nouvel ordre. En tout état de cause, force doit rester à la loi et l'État veillera pour qu'il en soit ainsi. Ce communiqué fait suite aux récents événements survenus dans le pays où certains individus s'en prennent physiquement à d'autres citoyens ainsi qu'au bien d'autrui. Ces actes commis à dessein par des individus sans foi ni loi et qui relèvent purement du vandalisme, de la malveillance ne sauraient être tolérés, souligne le dit communiqué. C'est pourquoi le le communiqué précise que les forces de l'ordre et de sécurité sont fermement instruites pour veiller à la protection des personnes et de leurs biens par tous les moyens de droit en interpellant les tout individu pris en main de commettre un acte de vandalisme et lui appliquer sans faiblesse les mesures légales à la hauteur de la gravité de ce comportement. Alors, euh, bien évidemment, Rukaya, après ce communiqué du ministère, il y a eu également le secrétaire général de l'ONU qui a sorti un communiqué qui dit ceci. Lors d'un point de presse jeudi au siège des Nations Unies à New York, le chef de l'ONU appelle à la libération immédiate et sans condition du président du Niger. Les Nations Unies condamnent fermement cette attaque contre le gouvernement démocratiquement élu et soutient les efforts de la CDAO et l'Union africaine pour restaurer la démocratie, a dit euh, le secrétaire général de l'ONU, Antoine Guterres, avant de préciser qu'il avait parlé euh, la veille au président Bazoum pour lui exprimer toute sa solidarité. Voilà, chers auditeurs, euh, cette fois-ci, nous allons accueillir euh, notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit bien de Soumana Amadou. Bonjour. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Bonjour Soumana. <coughs> Alors Soumana, les 9e Jeux de la francophonie s'ouvrent officiellement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le Niger participe à cette euh, rencontre sportive et culturelle de la jeunesse de l'espace francophone. Plusieurs disciplines sportives sont au programme parmi lesquelles il y a la lutte. effectivement, Ruki, le Niger euh, aligne cinq lutteurs dans, dans, toutes les catégories, c'est-à-dire toutes catégories confondues. Et le Niger compte beaucoup sur ses ambassadeurs selon l'entraîneur de lutte qui donne plus de détails sur les préparatifs des lutteurs nigériens qui vont aussi participer à la lutte africaine à partir du 3 août. Écoutons l'entraîneur Mohamedi Manzo au micro de notre envoyé spécial à Kinshasa, Yawale Abdul Moumouni. Inch'Allah, yau da sahen nan 28 ga wata ake fara kokowa inscription est bisa kan list in ya so a yi bayan an rubuta su za a koma arbitro za su koma su in ya so karhe biyu za a zo a yi awo na wani in an yi awo na wani sannan in za a yi tiraji osor kowa ya san da wa zai gamu wannan kokowa ita ta little libre ce wadda an ka hawaro daga sama har kasa sai ka kaka da mutum kwance reran ka taushe ya yi an kilga shi ba iya motsa sannan ne ake ba yi. to ita ce za mu fara mu nijar wannan ba mu sawa ta ba amma insha Allah mun rubuta yan koko mu dukan su guda biyar mun rubuta su muna jira in an jima eh, su wakilan koko in sun zo za mu gani ciki yan koko mu guda biyar duka sun wuce koko su wanne suka suka wuce in sun zo insha Allah mu jiran su nan da karfe goma sha biyu za su zo miliyoyin in so mu tabbatar da ga wane da wane wanda za su yi wannan kokowa bayan mun kare ta yan zabon mu kilo 66 Eh, jamilu bakwai ne 76 eh, mansur isa 86 abba eh, ƙasa da kilo 100 nura hassan sai sama da kilo 100 zakiru zakari su ne 'yan kokoma wannan insha allahu bayan mun kare ito ga kokowa ta lit olympic wannan uku hudu biyar ga wata muke kokowa ta ta afirka wannan guda biyar su ne za su wakilci nijar mu wannan ita ce karhin mu a nan wurin za mu yi abun a zo a gani a gare ta saboda muna da gurin mu samu mai da mu kama nijar Effectivement, donc Ruki, c'est tout pour aujourd'hui, pour la page sportive de cette édition. Merci Soumana pour toutes ces informations, chers auditeurs. Il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas C'est nous. Oui, Ruki, euh, le portrait de ce vendredi euh, nous amène à la découverte d'une jeune fille euh, qui milite pour les droits des enfants, notamment la scolarisation de la jeune fille. Elle est orpheline de père et de mère. Son nom et Yasmina Mohamed, elle a obtenu son CFEPD euh, à l'âge de 8 ans, et son BEPC à 12 ans et baccalauréat évidemment option euh, A4 à l'âge de 16 ans. Elle est aujourd'hui devenue euh, la voix des sans voix. Voici son, voici son portrait avec Habibou Garba. C'est à l'orphelinat Fraternité Notre-Dame de Niamey qu'elle a vécu. Elle a 20 ans et titulaire d'une licence en gestion de projet tout en poursuivant son cursus en business administration à African Development University, IDU de Niamey. Yasmina Mohamed est aujourd'hui la présidente nationale du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes CCNEJ et vice-présidente de l'association Temoko Marayou qui veut dire aide aux orphelins langue Hausa. Défenseuse des droits de l'enfant et de la femme au Niger, son engagement est parti de l'âge de 12 ans, juste après l'obtention du brevet de fin d'études du premier cycle bpc Yasmina Mohamed. J'ai failli me retrouver mariée à l'âge de 12 ans. J'ai eu la chance d'être défendue à nouveau. Dès lors, j'ai compris que mon cas n'est pas isolé, car plusieurs en sont victimes et sont sans défenseur. Ça a été l'élément déclencheur de ma vocation. Yasmina a représenté présenté le Niger à la réunion ministérielle conjointe éducation et développement du G7 à Paris en juillet 2019 où elle a eu l'occasion de rencontrer le président de la République française Emmanuel Macron. Rachida fait partie des filles que la vice-présidente de l'association Temoko Marayou a encadré. Voici ce qu'elle pense de l'engagement de Yasmina. C'est vraiment une jeune fille qui est motivée, qui est tellement engagée dans la défense des droits des enfants parce qu'elle a été à Paris, elle a rencontré le président Macron. Vous savez que c'est vraiment une grande chance pour nous autres de pouvoir faire entendre notre voix au G7. C'est d'ailleurs pourquoi Ilaria Carnevali du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a affirmé que les filles engagées comme Yasmina donnent de l'espoir que notre monde est possible. Votre engagement à offrir votre temps votre énergie, votre créativité et votre talent au service des autres filles nous rassurent et nous donnent un espoir qu'un autre monde est possible. Pour nous, vous êtes des championnes. Vous avez prouvé que l'on n'a pas besoin de super-pouvoirs pour faire les choses extraordinaires. Justement, le rêve de la championne Yasmina est de voir scolariser toutes les jeunes filles du Niger. Voir les enfants de mon pays obtenir les mêmes chances que moi est une cause qui me tient à cœur et cela doit commencer par l'éducation à mon humble avis. La non-scolarisation des jeunes filles prive le monde d'une énorme ressource humaine. Instruite, celle-ci, elles pourront se libérer des mots qui la définissent. Les champions du monde nigérien en taekwondo, Abdurazak Alfaga, ne disait-il pas Les filles, n'ayez pas peur de vous battre voilà, après ce portrait très inspirant, euh, nous allons euh, encore une fois de plus écouter la dernière musique prévue euh, dans le menu d'aujourd'hui. Et il s'agit du titre Haba Megida de Maman Sani Admoulmoula. a kanka siya ka to su baba a daina fadi an dan so mai sanka hankali sirfu min alhaidu da zai tsaro amma mai gida makankar si haka to su baba a daina tabi'an nan so mai san ka hankalin ka ya kwanta baba amma mai gida makankar si haka to su baba a daina tabi'an nan ita ma tagga sai a bata da rai ta baba Radda ta baka yarda kan baka rabin gari kullum kullum kana kai ta maki ta ci ta sha abin da ta ke so ta sir so shopping to weekend ba zan da atan ba iya kasaranta bare kan kwalliya irin wanda take so kaje gidan su ka dauko alkawal biyan bukatun ranta sun baka amana an aura maka ba a ko shekara ba ka zan sauya mata kaiwa dai bi ka juta mata ba sha ya isko gabinsa rijiya gaba dubu ba ta koshi yadda ka ce babu rabuwa yan taba za wani kodin dare dauki budurwa wawa shine otel ko gidan kai natijan banza fasikanci ne ransa power. Et né à Tessawa, Maman Sani Mati euh, est chanteur, auteur, compositeur, interprète et instrumentiste avec plus de deux décennies d'expérience. Il a été sollicité pour enseigner euh, la musique au département euh, d'art et culture de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. il fabrique également et joue deux instruments à cordes d'origine Hausa qui sont Garia et Gourmi. Il maîtrise plusieurs langues locales et s'intéresse à tout ce qui touche à la tradition nigérienne. Il est initiateur de plusieurs activités et entreprises culturelles. Il a créé euh, la compagnie de fabrication d'instruments de musique et de spectacles vivants, SEFMI, euh, Adamoulmoula. Il coordonne également le réseau nigérien d'artistes pour le changement. ka Allah ta wadaran haka lalace kai to amma mai gida makankan yi haka to su baba ba a daina tabi annan ita matan tanka sai a bata da rai ta mukami madubi da ke gwada una su rayuwar maza wajibi mu kama da su wajibi mu ba su mutuncin su ka talma taka in kana so ka ji daɗi ka so mai son ka hankalin ka zai kwanta ka yi wa ka gaba da ya za ta gyara Voilà, c'était là le titre euh, Habba Megida de l'artiste Mamansani Mati euh, Abdamoulmoula. Euh, Ruki, à présent, on passe au loti du jour, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Le loti du Dex Femme du studio Kalangu parle aujourd'hui du risque de. Affairage, affairage, affairage, affairage. devraient être revenus de l'école il y a longtemps. Mais va voir peut-être qu'ils sont dans leur chambre. Qu'est-ce que tu regardes comme ça Subhanallah Éteins-moi ça vite Éteins-moi vite cet ordinateur Et tu me le donnes tout de suite Mais qui t'a donné l'idée de jouer à ces jeux violents Quand ton père sera là, nous allons régler ça. Mais qu'est-ce qu'il y a on t'entend de l'autre côté de la rue. Je suis dépassée, Rouma. Tu sais, ce que je viens de voir, Morwan en train de regarder un site d'adultes sur son ordinateur. Comment ça sur son ordinateur Parce qu'à son âge, vous lui avez donné une machine. Pour en faire quoi Comme ses amis ont des ordinateurs, il a pleuré pour en avoir. Et donc son père lui a acheté un. À présent, je suis dépassée par la situation. Où est-ce qu'on a failli dans son éducation Hé, calme-toi. Tu sais, cela n'a rien à voir avec l'éducation que vous donnez à vos enfants. Vous devrez plutôt vous soucier de leur fréquentation hors de la maison. Tu veux dire à l'école et dans les quartiers Bien sûr Moi aussi, j'ai eu le même problème avec Safi, ma fille. Pourtant, tu ne m'en as pas parlé. Mais il y a une solution, rassure-toi. S'il te plaît, dis-moi, comment tu as fait Bon, tu sais, la sécurité et la moralité de tes enfants impliquent une bonne surveillance, c'est-à-dire leurs allées et venues, mais aussi les amis avec lesquels ils sortent, hein, discrètement évidemment. Il ne faut pas les étouffer non plus. Surtout, n'oublie pas ce qu'ils font sur Internet sans pour autant les envahir hein, et dans le respect de leurs propres droits. Hum. Eh Allah, comment je dois m'y prendre Sache que le droit des enfants dans ce domaine n'est toutefois pas facile, car l'enfant peut revendiquer une certaine autonomie au fur et à mesure qu'il grandit. Hein c'est à vous de serrer la ceinture pour ne pas céder trop vite. Oh, tout ça là, c'est long. Dis-moi seulement, comment tu as fait pour régler le problème avec ta fille La meilleure solution qui existe pour surveiller votre enfant et toutes ses activités sur son ordinateur ou son téléphone portable, c'est d'installer un logiciel de surveillance à distance. Très pratique, je te jure. Il vous donne la possibilité de bloquer l'accès à certains contenus web dits sensibles. Par exemple, les sites de rencontres, les sites de charme. Est-ce que ça marche à 100%, je te garantis. Tant que les enfants n'arriveront pas à décoder le mot de passe, vous êtes tranquille. Il vous suffit d'appeler le service client ou de le demander à l'ouverture de la ligne téléphonique. Parce que si les enfants parlent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou Instagram à des inconnus, vous ne le saurez pas. Donc, euh, pas averti du comportement de votre enfant. Mais c'est compliqué tout ça. Pas du tout, juste quelques jours. Seulement à l'arrivée de ton mari, discutez-en et vous pouvez vite commencer la procédure. En attendant, je vais confisquer tous leurs appareils, même ceux de sa sœur, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup ma copine de m'avoir ouvert les yeux. Je suis un C'est la moindre des choses entre parents. compris, fidèles auditeurs, c'était plutôt un loti sur le contrôle parental. Voilà, on va poursuivre notre programme dans ce studio. Nous sommes aussi en compagnie de Alamin amin Ouachar. Il est journaliste traducteur en langue tamashek au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir le mot effondrement dans la rubrique culture linguistique en français et en tamashek. Bonjour al Bonjour. Pendant cette saison de pluie au Niger, on constate l'effondrement de plusieurs maisons et autres infrastructures. L'effondrement des ponts sur différents passages d'eau au Niger suite à de fortes précipitations enregistrées dans le pays. Ainsi, les mots effondrement se définit comme les faits de s'effondrer, affaissement brusque du sol, écroulement, éboulement. دونك euh, انت ماشيك دغا تماجا قال معنا نبرجو مدير رتشيلاتني يسوكاس دغا تمرتانا هذا جتن نان وين تبرج اتنين اتارين شن تبرج اتنين دغا السباب ان كم وين الصوها اتنين غرو دا نيجر اوين دا فلاس دا تسيتن دولة النيجر جتنا وين برج اتنين التارين التسفل دين دي زرتا اسم ون فندرما يعني برج برج يموس التنية غرت يسيرن سساها هو اللي نسرنا مدار مدى متكوين مدار مدى نغربل نمدار أرتوالي سوكا فندرما al Alamine Wachar, merci infiniment. Chers auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, euh, l'explication en anglais, en haoussa, en Fulfulde, en Tamashek, N'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs aino madan kwada kan sato nyalo kwar jarga sato ai wo ga hangan be Feg salam mer ga salam kawi kawi zedin bo ngai wallahi sigere o kan kane se kawi din ga ha gine im gu te din ngai fa bu goy mo ani igogute gu te nga hangan fa din kale goy bon ki go gu de fari mai bon alfaray sal al farai bon ibun a sine no ay ga dunguri far ay ga damsi far ay sinde kul kai far balem tinde lafo ay duma wallahi wo han ni kunna shi hangan da man ta dai susu bai lan o gurwa kin fo ni zar su kalango on fere go fun tage da don kai da haya kul du bo borai kay yango kali goi te da mata kan borai te goran da kyare da mata kan gor gisine hagoi da kyare di ma hagoi da kyare muna kyaftare mu fur hayara ga sai na ga kana ay ga zalika fo ka hamman da mata zandar na fofa ta tawanya ngumo asikal banne ai ga ga bani ha dihin zanta rezi kango ne nyongo kango walam igo ga fo ai ga bani ha zamai berno Voilà, avant de se dire au revoir, euh, chers auditeurs, nous allons euh, écouter euh, ce, euh, cette chanson euh, intitulée Unité nationale. da babu yaki kasashen da ba su roko masu arziki da kansu le president nous appelle sachez vous ce que